Ça a créé beaucoup de problèmes. Les mm-hmm. gars qui commentaient qu'on a ils se sont dit bon, autant enlever 25. Mm-hmm. On est passé donc de 175 à 150, francs. Mm-hmm. Mais ce fait qu'il y a l'eau, des nec dumping qui n'y a pas ça pose problème. je ne sais pas le problème où est-ce qu'il se situe. Je suis que état est menacé. parce que ce dégg <laughs> c'est de la dictature rampante. Mm-hmm. on on vous somme de vendre à tel prix sans quoi nous vous ferons face C'est la que la et euh, je peux vous dire que la personne qui qui faisait cette vidéo m'est très très très très proche. Mm-hmm. et c'est quelqu'un de foncièrement intelligent. Mm-hmm. mais très haut, munoo wax nit ni force ñu def lu ñu mënul règle rek donc même qui est menace si réellement les gens qui sont censés le faire ne peuvent pas le faire ils ne le feront pas. le mhm. Sénégal mënul ko ne dund ci armée ñëw di ñu par exemple parce que faire face c'est pas aller chercher les gens parce que tu peux pas dire à des à des meuniers. Euh, c'est même pas des meuniers. Euh, dans ce pays, il n'y a presque pas de meuniers. Il n'y a que des minotiers. Mhm. Euh, parce que le meunier, c'est celui euh, l'artisan qui utilise un moulin et qui fait sa farine. Mhm. Là, en l'occurrence, c'est des gens comme Sedima, Grand Moulin de, Grand Dakar. C'est des industriels qui mhm. font de la farine à grande quantité. Mhm. C'est de la minoterie plutôt qu'autre chose. Et tu ne peux pas dire à ces gens-là, vous allez faire comme moi je veux et continuer de faire de la farine de force, sinon on va voir ce qu'on va voir. Ben, euh, l'entreprise, elle est libre dire, si la personne décide de ne pas travailler, vous ne pouvez pas l'empêcher de... <coughs> travailler, forcer. C'est déjà libre autonome. Il n'y a aucune loi qui dit que vous allez travailler par force. Mhm. Les gens travaillent parce qu'ils cherchent bénéfice. Eh ben, tant qu'ils trouveront bénéfice, ils continueront de travailler. Mhm. Et si dans un axe, ils se rendent compte que le bénéfice n'est pas au bout, alors que c'est la chose recherchée, ils vont s'arrêter. Mhm. Personne ne connaît le fin mot. Nous, dans le ministre ni war a defar nguur gi mi ngi leen di soññ ci liñ daan defar nañ ko continuer defar mm-hmm. te njëg li yem ci ci lii ñu leen wax buñ ko deful mm-hmm. mooy dañuy jàmmaarloog ñun mm-hmm. ñu ni dina jàmmaarloog ñoom loolu si amul amul amul interprétation c'est très clair c'est c'est c'est des mots qui ont leur sens maintenant j'ai entendu aussi AXIF. je n'ai pas entendu sédiment j'ai pas entendu les grands moulins de Dakar parce que en définitive les commerçants là dañuy dem farine. ci mhm. ils ne sont pas dans le même cas de figure que Grand Moulin qui qui lui achète du blé. Mhm. le transforme en farine et vend la farine. Mhm. c'est aussi le cas de sédiment ça dépend de l'échelle où on se trouve. et tout le monde n'a pas la même vérité. donc à qui l'État parle. J'ai du mal moi à moi j'ai l'impression qu'il parle à sédiment et au Grand Moulin de Dakar. Mais s'il leur parle et se permet de les, de les menacer, c'est parce qu'il est convaincu que à, au prix fixé, ces gens font bénéfice. Qu'il m'a Parce que nous, nit da ngay jaay par force. da ngay yem ci li ma mais soo koy wax mooy dafa am foo tënku am mhm. tu as tu une claire conscience que matière première bi muy jënd xam nga li tu as une claire conscience que après trituration et transformation en farine, quel que soit le type, il mhm. faut euh, mën a tel prix. Mhm. de toute façon ce c'est pas toutes les farines qui sont homologuées et fixées farine qui nous intéresse, c'est la farine qui fait du pain point. Mhm. c'est pas Il euh, faut li une def ay blé waaw une farine pâtissière une farine blé dur bi alimentaire ça ne nous concerne pas là on parle juste de mburu mais <laughs> dana ko di am ci réew parce que attention ñàkk mburu moo taaloon Algérie moo oui moo taaloon Algérie euh, non non c'est pas Algérie c'est Tunisie. Mm-hmm. Tunisie quand il y a eu le printemps arabe mm-hmm. ça a commencé avec l'histoire de mburu mu yokk ah. mm-hmm. mburu mu <laughs> affaire mburu nak fi ne ci mburu mu wàññeeku nañ fépp ndeke. ci ci jéem a wàññi mburu mi ci la ñu nañ góorgóorlu ba ñëpp parce que en définitive askan mi moo koy mhm. te japp naa tant que ces gens là nos nos minoteries seront capables de vendre et de ne pas perdre de l'argent mhm. ils le feront. Mhm. léegi nak il faut que dom Sénégal yépp dajé ci fexé askan mi en définitive. di dund. ci ci lu mu temps donc il faut qu'on rapproche cette position de l'État disant. Nous ko cette position de ces gens-là qui disent nous, nous faisons du, commerce, nous avons besoin de faire bénéfice. Point final. Voilà, les gens, euh, débat à qui on parle, comment les gens vont se rapprocher, je, ne suis pas dans le secret des dieux, mais Gumnan, Gumnan, vous faites qu'il 150, vous ne pouvez pas dire que vous perte, vous Mais si vous avez 150, vous avez une compensation, vous avez une subvention, vous avez une perte ne le feront pas donc ben menace mënul du menace établie par rapport au à la minoterie du menace ou par rapport à Ben askan les menaces ne ne passeront jamais dans ce pays. mais ces menaces justement menaces ngay mais de mel ni récurrent parce que les mêmes menaces on l'avait constaté ci au euh, euh, euh, domaine privé de l'État euh, affaire foncier bi euh, fofu tamit amone nañ menace ñëpp ñi nga xamante rek euh, jël nañ ci terrain yi ci nu jaarul yoon nañu waajal menace yooyu gisoon nañ ko aussi ci cour des comptes of OFNAC képp ku sàcc xaalisu réew mi rek boye bo nga préparer est-ce que menace yooyu aussi mo wara nek carrément taxawayu état. c'est des effets d'annonce et c'est contre-productif tu sais la menace publique elle est toujours contre-productive amul sens parce que askan bi euh, elle doit adhérer à ce que l'État un État fait askan bi elle adhère librement si tu commences à l'indexer à lui faire des menaces tu as am résultat ci li nga mhm. parce que nit ñi duñ la tout simplement dañuy dañuy mhm. alors que pour avancer il faut que la population bi adhère aux politiques publiques. et mhm. ak état bi ci liñ bëgg def mhm. parce que ñun lañ ko defal mhm. mais ñun suñ ci andul du soti mhm. donc il faut nous accompagner il faut nous comprendre il faut nous ñu and ak ñom ci ci envie def sinon ben ça ne marchera pas et, la menace récurrente de toute façon c'est des erreurs politiques des gens qui pour moi encore sont sont sont un peu euh, débutants dans ce qu'ils sont en train de gérer ils vont prendre le temps de remettre le curseur à la bonne place euh, parce que Mingi commence récurrent quand même, quoi, et que ce, ce peuple-là ne sait pas vivre avec ça. Alors, c'est évident que danañ changer braquet. Mm-hmm. parce que buñ ko deful ben ils seront ils seront en face du peuple. bu yow lay jox kàddu gi ta loolu Moussa dafa melni wa régie nopi nañu ci vidéo bi ñu xol ko une minute wala quelques secondes rek euh, su ko défé ñu daal euh, continuer waxtaan bi Moussa. dafa usine ngeen ngeen wat ko te ngeen def ko ci prix yi euh, gouvernement bi décidé. nanu dakkal li ni jema a dem ubbi seeni usine defar fëriñ nan ko daan defare jaayee ko njëg yi gouvernement bi fixé bunu ko deful am rew lan tekkou gouvernement lan tekkou te gouvernement bi du setan mukk ñuy dem bay xajamal liggéeyu lan moy dem ba ku bëgg am mburu do am mburu gouvernement bi lolou xel xalaatu ko xel xalaatu ko te du ko seetaan kon nak gouvernement neena len wat len seni usine dem len jaay ji bu ngeen ko deful nak dana ko ak ñom dem ba ku bëgg am buru do am buru gouvernement bi lolou xel xalaatu ko xel xalaatu ko te du ko seet loolu xel ko xel ko xel loolu xel xalaatu ko xel xalaatu ko te du ko seetaan kon nag gouvernement nee na leen ubbi waa ah, ministre bi li mu wax ñoo ko déggandoo xel xalaatu ko foog naa ne boo ko deful comme niñ ko waxee daañu ko diggaaleeg ah, yéen ah, monsieur Sarr wax na ko léegi à qui réellement le gouvernement menace ak ci ka yan base nga yaakaar ni foofu lañ ko teg pour euh, proférer yooyu menace waaw sortie bi. euh, selon moi écoutez faati man pour man sorti bi baaxul euh, parce que pour man communication bi baaxul doo jàkkaarloog ay nit ñoo xamante ni euh, ils ont été là bien avant yow ngay yow ngay yor ndomb tànk ñu ñu samp seen euh, un truc di ci xeex di ci xeex ba mu toll fii tey ba am aura bi ñu am au niveau national et international nga bugg a yeewu rek ci ban contexte ngay wàññee mburu mi Euh, pour man euh, ne na pas euh, utiliser choix de mots yu nous yu que yi ndax xeyna comme Sénégal dafa am problème ak le pouvoir parce que traduction bi mu péjoratif parce que nguur xam nga olof bi ñu la preuve Euh, bu ñu la nommé woon léegi ministre wala DG ñun waa diaspora dañuy oote fii sabar parce que loolu lañ ciy dégg lu lu neex maanaam ascension réussite euh, yooyu la quoi mbégte bonheur ak yooyu léegi nag loolu dafa am ci lu mu lu leneen lu muy convoqué mooy euh, buur dafa am kàddoom du dëñ bu ne gauche gauche la bu ne droite droite la lu lu buur bëgg moom moom mooy am comme on dit xam nga traduction boobu ñun bu ñu ko entériner inconsciencieusement di ko doxalee ñu nekk ci état de droit ñu nekk ci euh, état boo xamante ni euh, dafa am lu mu lu mu séq ak ñi nga xamante ni ay mooy ay citoyen d' abord mais am lu mu séq ak ñoo xamante ni ay structure la wala entreprise privée euh, internationaux comme comme comme comme nationaux tey xam nga bu loolu yëpp dajee mm-hmm. yow dafa am nooy taxawee face à loolu mais du ni ngay génnee ni di am loy wax euh, ci façon mais juste euh, avant mais avancer ci gis le premier ministre Sonko pour le nommer man pour man c'est un bon élève hein, je le dis tout le temps c'est un bon élève un politique aussi intelligent euh, quelqu'un qui a mhm. il connaît man lima gis les sénégalais quoi que tu puisses faire ñun dañuy wax mhm. politique day wax. ku xam day wax ku xamul day wax la preuve bu làmb amee ñëpp ay bërekat lañ bu football amee ñëpp ay ay footballeur lañ pour man xam ngi mu xam sénégalais yi tax na mu génnee benn benn fausse bees annoncé parce que moom xam na fan la jëm après parce que pour man ci intervalle de temps bi munoo wax 15 ne non ça s'arrête à 150 ba pare nga taxaw ci position radicale euh, le ministre bi di di di pour man am na lu mu annoncé sachant que les gens vont parler au départ s'il avait enlevé les 50 francs on va lui amener ses vidéos d'antan pour VAR pour machin on enlève 15 euh, francs ou 5 francs pour faire parler aux autres ensuite il revient sur ce que même... li mu bëggoon fixer comme prix pour man am discussion préalable mais euh, le temps euh, a donné raison que parce que gis nañ le le le le représentant le coordonnateur des boulanger di wax né euh, sur le prix biñu nous ñom sen farine c'est impossible ñu jaayé à 160, 160 euh, c'était impossible sur le premier. la première réduction c'était 160. Mhm. d'ailleurs pour moi c'était impossible ñu ça. parce que ñu jaayé loolu je veux dire parce que nous avons mhm. Euh, pour man xëy na kon kiy jaay kiy defar mburu bi ci am di ko jaay am na fu mu koy jëndee ndax dafa am ay commerçant autre yu bokkul ak industriels yi yuy dugal pour man euh, ni ñu jëlee suukar bi suukar bi mu am monopole autour de de de de CSS euh, pour man waroon na mën a am xëy na bien que béyewuñ bele fii mais pour man ñooñu aussi am nañ ci part de marché boo xamante ni war nañ mën a protéger parce que ay société nationale lañ ko on dit tey La communauté bi nga xamanteni euh meunier comme entre guillemets comme on dit les industriels guen nagn ko. Euh, le truc était à 19200 ou 500. Ñu wañi ko ba 13000 enfin 15 15200. 4000 francs yu ñu défalqué ci ci ci prix bi nga xamanteni mom lañ fi fekk. Euh, comment ndax waxtaan nañu ñom seen biir mais bu ñu sugandiko ci communiquer bi da ngay gis ne euh, ñom ñu ngi avancer sax sur les TVA TVA wu 1355 environ boo xamante ni ñoom dañ koy fay au delà de de de wàññi boobu ñu leen wàññil léegi une compensation boo xamante ni ñoom pour ñoom leerul dans leur tête naka lay demee ñaata lañ leen di jox pour compenser loolu je pense que l'État euh, a les moyens véritablement euh, mu def subvention comme ni mu ko defee ci yeneen yi ba mën a wàññi pour man war nañ def subvention aussi ci loolu bu dee mu ngi doon am je pense bien que mu ngi doon am mais bu ñu demee ba war dindi 4000 francs sur le prix ñoom war nañoo mën a indi subvention boo xamante ni indi mooy comme mooy compenser en fait déficit boobu nga xamante ni ñoom jëlee nañ ko fi man pour man bu amoon. Euh, je pense pas que li sorti d'un dana am je pense pas que défiance bi dana am parce que industriel yi paré woon nañ pour pour pour jàkkaarloo. ba annoncé ko non dañuy dañuy téye sen loxo parce que gisuñu sen bop ci mbir bon euh, Sénégal nak amna na ci luñu wara préparer aussi parce que nit ñi suñu suñu habitude alimentaire moo ñu sonal ba tay mburu dafa nek euh, denrée bu capital ci suñu alimentation mom mm-hmm. lañuy ñuy mom lañuy la mom lañuy fanano on fait toujours tout le temps du pain. énormément, de pain bah, bah, excepté euh, certaines saloum mais énormément mburu loolu dafa nek lu lo xamanteni ni en fait daf ñu teunk ci lu bari. Mhm. léegi nak bo amé peuple bo xamanteni dafa am yenn habitude alimentaire yi cest dire que dafa am ci loo ni loy loy looy sa bop mhm. euh, tay j'ai vu euh, des des immigrés de retour ñoo xamanteni ñu ngi explorer euh, culture blé bi dans le nord au Matam Podor je pense. Mhm. pour dur nañ ci affaire yo xam gis nañ ko ci te ko sénégalais pour wax la rek suñu suñu suñu xalaat cest dire que amna lo loo pour ñun mënuñ fi sax. Mm-hmm. c'est-à-dire que et puis les gens nous préparent pour ça. Mm-hmm. pomme nous fi sax nga gis ku béy pomme mu sax fii c'est-à-dire que dañuy préparer ba ñun dañuy tayalloo ci lu bari. Mm-hmm. noonu la def aussi di ñu préparer ci mburu quand tu prends pas pain le matin tu n'es pas bas parce que ñun dañoo war a doon ay tubaab wala nous war a doon lenn alors que y a beaucoup plus intéressant wala euh, maanaam euh, ci ci ci dund ak yooyu noonu yoo xamante ni xëy na euh, je dirais pas moo ëpp vitamine wala moo ëpp njëriñ mburu ci ci yaramu yaramu nit mais am na loo xamante ni tey mi ngi fi. tey boo demee ci sous région bi tey boo gisee lu bëri duñ ci duñ ci duñ comme ñun sénégalais ñu ciy sonnee ci wàllum euh, ceeb ak mburu parce que ñoom euh, seen seen habitude alimentaire dafa nekk leneen dañ am des variétés d'aliments yoo xamante boo demee ñii fufu la ñii ay des dérivés des choses ñoom dëkk le riz ne refait pas beaucoup de problème donc yoyu ay mbir la yo xamanteni ni euh, yu ñu war préparer Sénégalais la mais aussi tam di waxtaan parce que li ñu jël nii euh, peut-être euh, ngeen def liñ leen wax wala ñu rëq seen digg pour man njiit du du communiquer de la sorte Fatim macha allah am solo mu leen daal on peut s'en passer du pain ñu jall ci leneen ku nekk nak man bu ñëwé ma ubbil ko ñun mom cere ji rek lañuy xaar Adama ci lool rek laataa ñuy marqué une petite pause ah, ah, sortie ministre bi euh, par rapport ak euh, euh, prix yi nga xamantene mom lañu la doon bëgg def ci baguette de pain mais loolu yoy yëpp est-ce que ñëwul rejoindre aussi yi fi jot jaar yëpp ci comme ni ma ko waxee léegi foncier bi ñàkk waxtaan bi parce que tamit dañuy remarquer à chaque fois ñàkk waxtaan te démb après vidéo on am na ñeneen ñi nga xamantene ci boulanger lañu la ñu ñu génn di xamale sax prix bobu lañu ñu naan dañ koy wàññi au contraire fay yok parce que ñu ngi def seen calcul di 210 cent dix euh, en quelque sorte augmentation le gëna doon que que que que que wàññi bi nga xamantene mo andi ciowlé voilà donc je pense que problème mburu bi ak problème boulanger ak le gouvernement je pense que adu won na ci mhm. c'est-à-dire man mënuma concevoir par exemple damay joxe benn exemple bu bu xaw a concret par exemple boo boo boo mënoo fekk ay nit yu dëkk ci kër par exemple même bu dee man maa moom kër gi mhm. ñu dëkk ci kër gi ma jékki-jékki rek indi ay nit ni leen dem leen dëkk sans pour autant ñoom ñu ñëw buuxanteeg ñooñu loolu c'est impossible cest à li ma bëgg a wax mooy balaa ngay balaa ñooñu noonu di ñëw di dëkk si il faut nga wax ak waa kër gi ba pare ba ñoom ñu génn ñooñu mën a ñëw mhm. sinon après buuxante mooy am xëccante mooy am après ngeen naan da ngeen di dem toogaat waxtaan léegi garaawul léegi yéen ñii di ñëw génn leen ngeen mayaat leen temps ñu préparer seen ay bagages wuti fuñ dëkk entre autres mhm. je pense que dafa am loo xamante ne boobu moo précédé loolu noonu parce que affaire yi ay processus la processus moom mooy premier pas bi nga xamante ne moom la ñu war a teg parce que dañuy ñëw pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy wàllum dund plus particulièrement ci wàllum mburu comme que ci loolu lañ toll mm-hmm. mais dañuy xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu woowu ñu woo ñu waxtaan ak ñoom sànq monsieur Sarr mu ngi koy wax mu ngi wax lu am solo c'est-à-dire parce que ñoom dañoo dem jëndi dañoo dem jëndi bele bi à l'extérieur bi ñu ko jëndee ba pare ñu fay seen ay taxi importé ko ñëw ba mu dugg seen ay seen ay biir mm-hmm. seen ay biir logo bi mu duggoo foofu aussi Nous ñu aussi amna main d'œuvre bu fa né amna ay nit yo xamanté dañ fay liggéey ñoo xamanté dañ léni fay mm-hmm. ñu ñëw produire ba paré ba farine bi ñëw saako yi def ak yenen ak yenen lépp après prix de revient bi mm-hmm. légui prix de revient bobu non il faut nga yok ci dara il faut nga yok ci dara bénéfice bi pour mëna am pour mëna am prix de vente mm-hmm. légui bu dee bëgg ñëw yow non seulement da nga bénéfice mais ce prix de revient bobu non sax day li ngay jaayé day day day day gëna prix de revient bobu ça sera tout un problème parce que loolu li koy indi moom mooy ñàkk waxtaan bi je pense que bu ñu waxtaanoon euh, loolu du doon loo xamante ni problème lay nekk parce que loolu aussi nañ ko nañ ko saytuwaat parce que bu dee dañoo dañ leen a forcé pour ñu jaayee mburu bi 150 francs te nekkul seen ay arrangement mais bu ñu fàttee ni Grand Moulin la Dakar ay sénégalais ñoom ñoo fay liggéey bu ñu fàttee ni Sedima ay sénégalais ñoom ñoo fay liggéey mais ñooñu noonu di liga. liggéey après ñoom ñooy génn dem jëndiwaat mburu mm-hmm. léegi bu dee entreprise bi dafa am perte dafa am ay perte ci ci ci li nga xamante ni moom la jëndoon léegi après perte yooyu day répercuté wu forcément ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay liggéey est ce que ab dinañ am après ñoom pouvoir d'achat bi leen Nous a ñu dem jënd à 150 francs donc loolu aussi nañ ko convoqué ñu ko xel bi man damay un peu aussi le gouvernement dañoo am lu ñu comprendre loo xamante ne comprendre c'est-à-dire parfois on on le sait nous bëgg sénégalais lu ci bëri dañuy bëgg li nga ne excès de bénéfice dañuy bëgg di 1000 francs di jaayee 2000 francs par exemple dañuy bëgg suñuy bénéfice di ngand est ce que nekul peut être dañoo xam wala dañoo njort ni ñoom li ñuy am ci ay bénéfices dafa nekk ay bénéfices bénéfices yoo xamante ni yu accessible la dafa ëpp. te war na gën a wàññeeku même mhm. su fekkee ni ki loolu am na est ce que euh, waxin bi noonu la war a demee pour que ñu mën ci euh, ñu mën a dellu ginnaaw ci loolu. exactement non mais la manière de parler avant avant mu ñëw dénkul loolu laa doon dinaa ñëw ci ci ci la manière dont ils ont ils ont abordé le sujet c'est-à-dire peut être ils savent ça xam nañ loolu xam nañ que ni ñii lañ am ci bénéfice nekk na loo xamante ni lu la donc de ce fait il faut bénéfice yooyu noonu mu wàññeeku il faut ñoom ñu dagg ko ñoom aussi ñi yëngu ci wàllu woowu duñ ko bëgg a dagg parce que nekk na loo xamante ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax léegi donc dañuy ñëw opté par exemple ci journaux yu ñu lire am na ci yenn journaux yoo xam ne nañ ko wax nañ ni les sept entreprises yi nga xam ñoo yëngu ci wàllu woowu ki nga xamante ni moom mooy moom mooy le premier ministre recevoir na leen. Mhm. nee nañ recevoir na leen ba waxtaan ak ñoom peut-être ci waxtaan boobu noonu li fa la moom mooy la la la voie de force c'est-à-dire da a forcer mais forcer boobu nañu nañu moytu mu am yeneen effet yoo xamante ni jur. parce que aussi ñiy produire mënuñu leen forcer pour ñu produire nee nañ nag dinañ dem xool li nga xamante moom mooy stockage bi xool na lañ stocké du genre pour mën a xam mais quoi qu'il en soit nous que nous pouvons dire et ben bi ci parce que je vois que ni euh, ñi il faut nous comprendre lolo un peu quoi c'est-à-dire dans ma ni jeunesse travailler que la que la diplomatie ou la compétence c'est-à-dire ñun jeunes par exemple man buma xamé né man voie diplomatique duma ko may wala parfois c'est damay privilégier li nga xamanté né mom moy rapport de force au détriment de la voie de la voie diplomatique parce que damay xamni buma défé rapport de force man damay am li ma bëgg mais est-ce que rapport de force bob même buma ci amé luma bëgg effet yi ci am wala conséquences yi ci am man dina ko xam sur ce état lañ yor yoruñu yoruñu association yoruñu parti politique yoruñu mouvement état lañ yor c'est-à-dire dañoo diriger ay millions de sénégalais ay millions de personnes sur ce dafa am loo xamante ne dañ ko war a privilégier am loo xam dafa war a nekk ci ñoom mm. moom mooy ñuy privilégier li nga xamante ne moom mooy la diplomatie mm. c'est-à-dire ça ne vaut rien et beneen bi euh, loolu aussi nañ ko nañ ko bàyyi xel nañu xool période bi nga xamante ni ci lañu bëgg a wàññi mburu bi mm-hmm. dafa nekk benn période boo xamante ni sénégalais yu bëree bëree bëree bëri bëri si lañu commencé naan wo pourtant vous leen que di commencé dal sen kaw da ngeen vous deux mois bo len ñewé ci Vous bu le ngeen mburu bi ngeen bi légui ñu que vous ñu les xol nan lañuy def. mais tamit Adama la mais hmm. ko defone euh, conférence de presse ba di xamale nek que blé kat na wul fi té vous jafé yi nga ci aduna bi motax ba wàññi googu lañu doon mënul nek coûte que coûte. exactement parce que mi ngi ci doon wax bay wax ay ay waxu souveraineté souveraineté alimentaire du mm-hmm. mais après gis nañ bi lolu jallé bi mu un Grand Théâtre le premier bi mu démé Grand Théâtre sénégalais yu bari diko contrer niko xaruñu ay discours mais dañuy des choses yi nga xam yu concrètes la. Mm-hmm. c'est-à-dire coûte que coûte nañ wàccee apaise wala apaiser tension bi nga xamante ne sénégalais amoon nañ ko ñu def benn commune ñu def benn benn conférence de presse boo xamante c'est-à-dire ce n'est pas ce n'est même pas euh, le ministre le ministre du commerce et de l'industrie moom moo ko defoon nekkul moom moo conférence de presse keneen moo génnoon wax ci wax ay njëg yoo xamante ni nekkul ces ces ces prix là moom lañ moom lañ maintenir mm-hmm. dama jàpp ni loolu dañ ko defoon pour dalal xelu sénégalais yi tuuti pour jéem a xool parce que ku wàññi 15 francs 160 lañ 100 euh, ku wàññi 160 lañ defoon cent soixante lañ defoon sénégalais yi di xaw a kii nii tuuti ñu ñëwaat ni cent cinquante cent cinquante yi boulanger yi nee nañ mënul ne man li ma jàpp mooy c'est-à-dire qu'ils savent que même pour des parce que a nañ gagné 53 milliards de ci li nga ne les de première nécessité même des gens dañoo subventionné xam nañ ne prix yi ñu bëgg dëgg prix sénégalais que ce soit 150 francs que ce soit en deçà de 150 francs plus mënul man dama le fait que ñuy gagnons di contrer ou di attaquer les boulangers je pense que c'est ma perception personnelle il veut créer un mal entre les boulangers entre ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum farine bi yooyu et les sénégalais comme prétexte que ni ñoom bëgg nañoo wàññi mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay farine bi ñoom ñoo bëggul wàññi c'est-à-dire pour mën a am benn lay bi nga xamante ni sénégalais ci la ñu sukkandiku et je pense pas que loolu sénégalais dinañ ko mën a seetaan je pense que loolu aussi benn benn politique la boo xamante ne ñu ngi koy jéem a jaarale ci li nga xamante ne moom la ñuy def actuellement mais quoi qu'il en soit il faut qu'il privilège encore une fois la voie diplomatique au détriment des autres voies parce que amul benn voie boo xamante ni dinañu dinañu mën ci lu ñu ci lu ñu bëgg dëgg parce que même boo ko defee nekkul benn arrangement boo xamante ne arrangement bu bu bu bu bu bu arrangé ñëpp la même si parfois di nga dégg français ni le bonheur des uns et le malheur des autres mais fii loolu mënu fi am fii li fi mën a am moom mooy ku nekk yëg sa bopp que ça soit muy meunier yi que ça soit muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les boulangers que ça soit muy ñun askan bi nga xamanteni ne ñun ñoo koy jënd même eux gouvernement bi nga xamanteni ne ñoy subventionné wala ñoy def leneen ak leneen ba nga xamanteni sénégalais li ñuy xaar dëgg-dëgg si ñoom dinañ ko am fatima machallah am na solo lan mo lan moo dural Fatim. ci ci communication bi nga xamanteni euh état def nako ko. Mhm. xam nga pour reprendre un peu Sonko qui disait euh, tantôt que euh, affaire bi euh, blé bi jógewu fi feneen lay jógee expliquer mhm. mais pourtant communication bobu la ko mënee renvoyé que le blé acheté aujourd'hui à 300 euros comme la tonne comme ma naka dafa yokku 300 je pense c'est ça que dafa yokku que dafa nangam kon kay ñoom mëna ñoo mëna déggante ki wax né bélé bi jógewu fi té lañ koy jëndé dafa cher dafa nangam ñi ne ko ñun liñ jëndé dafa cher ñu jaayé euh, lu tollok li man pour man euh, war nañoo mëna a mais li gën dorul ci ci li rétanlu ci ci communication bi pour man euh, mooy bi ngi bi ñuy wax affaire dem inspecter ji les entrepôts mm-hmm. ah, pour lan l'objet c'est quoi c'est de léegi stock boobu man 500 euros laa ko jënde woon euh, début guerre Ukraine ba léegi léegi je vais vendre à perte Mhm. cest que il faut que nous sachions que euh, dans le on peut on peut se en fait on peut se permettre beaucoup de liberté mais état c'est du sérieux mhm. quand on sort pour communiquer ce n'est pas de cette façon là qu'on le fait quand on quand on quand on exerce même euh, ses prérogatives et ses pouvoirs euh, sur les citoyens de façon ak dafa encadrer wu dafa am noo koy tu sors pas pour dire oui on va venir inspecter pour juste rejoindre M. Sarr qui disait peut-être que nous avons nañu ko buñ ko pour man génnee nañ génnee nañ nañ euh, prix yi nga euh, à l'international ak nous donc ñoom defuñu ko ce sont les meuniers qui ont sorti le prix pour dire que au-delà de des 300 euros là euh, qu'ils achètent je pense euh, la tonne nous avons rajouté TVA de 1355 ba pare ci biir proposé euh, comment ça s'appelle compensation mais clarifié wuñu comment naka lañ koy séddalee set yi xaw ma ñan ñoo ci bokk ak naka la ak nan la ñuy def ñoom leerul donc yaa ngi ci benn waxtaan yaa ngi ko doon wax léegi euh, euh, euh, yaa ngi waxtaan ak nit utiliser une une voie diplomatique comme tu di pour reprendre tes mots mais nit ki booy waxtaan mais bul yàkkamti c'est que lii mooy say intention Fatim wax naa ko monsieur Sarr man dama bëgg jënd ndox bii dama bëgg nga jaayale ma ko fukki dërëm parce que dafa cher ci sénégal yi nga ne mënuma ko jaayee fukki dërëm parce que déjà xott bu vide bi lii laa koy jëndee ndox mi dama koy filtrer lii laa ciy def euh, installa et cetera et cetera bàyyi ma ma dem. nga dem ñu waxtaanaat ku nekk xool li mu mën ko teem ñu dajawaat. mais doo dem dajat ay nit génn pour wax façon wax bi man pour man. Euh, parce que parce que les sénégalais attendent sénégalais ñu ngi xaar wàññite boobu am. donc il veut il veut créer. mais loolu mooy mën a c'est pilotage à vie boobu wax naa ko xala même les nominations. Mm. tu vois sur les médias euh, sociaux euh, ñi génn. wax diwu dafa war a am dafa war a am li prochain conseil des ministres nga gis ñu nommé kooku c'est-à-dire loolu nu maanaam njiit du doxee noonu doo doo toog di déglu ay ay ay ay ay ay yenn je sais pas moi ah n'importe qui ku génn rek plébiscité benn nit rek nga dem def loolu loolu laa lay wax c'est pas parce que sénégal yi ñu ngi koy xaar euh, que ni yow danga nga ko war a defee nii par force ci délai bii nga xamante ni vraiment dafa dafa dafay dafa fekk blé bi yegg benn prix yeneen ak yeneen ak yeneen ne leer na je crois am na solo liñ ci mëna a euh, rap yok rek moy que euh, euh, comme ni Adama waxé bëgg créer ben confusion wala malentendu entre les sénégalais ak les Maliens man je dis que sénégalais yi ñiy def boulanger les producteurs de farine ak les sénégalais ñun ñëpp c'est des sénégalais donc c'est pas pour pour pour pour pour défaral ñi nga mëna merlo merloo war nañ ko mëna éviter ñu considérer que ñun ñëpp sénégalais et que ñu waxtané ko ba nga xamante ku nekk. rek dina ci gis boppam te kenn du meex ah, ñëpp am ci seen njariñ ci noonu la ñuy marqué benn pause bu ndaw rek dem régi dellu siwaat publicité suñu ñëwaatee ñu yàggale suñu waxtaan bi ndax mi ngi xaw a sori waxtu wi dese nañu ñaari benn point balaa ñoo dugal suñu gan gi eh, waxtaan ak moom ñu dem pose dellu siwaat tuuti l'essentiel du matin dal leen ak jàmm ci l'essentiel du seen émission bi am bés bu nekk ci seen chaîne Diaspora News TV. te di leen andil xibaar yu yees pekk ci li xew ci bis bi pour que tambaliko ak jàmm So bëggee xam lépp luy xew jàppal bi émission dina la jox information yu wér te l'essentiel du matin. l'essentiel du matin une émission Blind leen Guirien Tambali, journée les les Il était une fois six lampes, un ventilateur et une télévision qui vivaient une vie paisible dans une maison sans aucun incident. Jusqu'au jour où arrivèrent un climatiseur, une cuisinière électrique et un chauffe-eau avec leur forte consommation d'énergie, créant la surcharge dans les installations électriques. Les lampes commencèrent à s'affaiblir, la télévision s'éteignit et le ventilateur perdit en puissance. S'ensuivirent le climatiseur et le chauffe-eau, tous éteints. L'installation des câbles également commença à fondre de l'intérieur des murs. Heureusement que le maître de la maison, qui avait constaté très tôt les dégâts, fit appel à un technicien de Sénélec. Il lui fait savoir que tout cela était dû à un dépassement de puissance à cause d'un compteur inadapté, incapable de supporter toute la charge électrique de la maison. Il fut alors redirigé vers une agence Sénélec pour que les services habilités puissent le conseiller sur la puissance adéquate à souscrire afin de se préserver du danger lié à la surcharge énergivore et éviter que les appareils domestiques ne s'éteignent continuellement. Après avoir suivi les recommandations de Sénélec, toute la famille retrouva la tranquillité d'une électricité stable et vécut depuis ce jour dans la paix et la sécurité. Ce cœur, de Kouai. Sanyabot, Lumula Jaral, Sénélec, l'énergie de tous les possibles. à vous lever en pleine nuit, pensez à programmer le minuteur de votre climatiseur sur 3 heures avant de vous coucher. La pièce sera assez rafraîchie. Pensez également à entretenir régulièrement votre appareil. Vous ferez jusqu'à 15%, voire plus d'économie d'énergie comparativement à une installation jamais entretenue. que de devoir vous battre avec votre congé.